nous sommes vendredi 29 mars 2024 à auditeurs et auditrices des médias partenaires de Studio Kalongo. Bonsoir, bienvenue au Forum de la presse, le rendez-vous hebdomadaire de décryptage de l'actualité de la semaine qui s'achève. Trois sujets au menu de cette émission. Les cas de méningite détectés dans les régions de Dosso et Tawa, dont une vingtaine de décès à la date d'aujourd'hui. Ensuite, les États-Unis qui disent prendre acte de la décision du CNSP de dénoncer les accords militaires avec le Niger. Enfin, la présidentielle au Sénégal, Bassirou Diomaye Faya élu nouveau président du Sénégal au premier tour de l'élection du dimanche avec 54,28% contre 35,79% pour le candidat du pouvoir Amadouba. Pour en discuter, je reçois autour de moi Mme Memouna Diado, elle est journaliste indépendante. Bonsoir Memouna. Bonsoir Nafisa. Abba Chariarmi, journaliste à la radio alternative. Bonsoir. Bonsoir. Et Abdoulaye Soumana, journaliste indépendant. Bonsoir. Bonsoir Madame Nafisa. Je suis Nafisa Adam Sirko à la modération. you. Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de nous recevoir chez vous. Des cas de méningite ont été déclarés dans les régions de Dosso et Tawa. De la région de Dosso à la date du 26 mars 2024, sur 15 cas décelés, il a été enregistré 10 décès, dont la plupart sont des enfants du préscolaire et du primaire. Et à Tawa également, 59 personnes ont contracté la maladie. On dénombre malheureusement 20 morts selon le directeur régional de la santé de Tawa. Écoutons respectivement Moutari Hamidou, chef du service programmation et information sanitaire à la direction régionale de la santé du Dosso, et Dr Abdelmoumouni Abdoulaye, directeur régional de la santé de Tawa. Suite aux examens cliniques que nous avons effectués, nous avons trouvé des cas de méningite dans la ville de Dosso. Dans toute la région, nous avons eu une cinquantaine de personnes atteintes et parmi elles, nous avons 15 cas graves. Mais pour la ville de Dosso, nous attendons encore les résultats de Niamey. La prise en charge sanitaire, elle est gratuite si la personne est atteinte. Ici en ville, nous avons des cas et dans quelques communes de la région également. Tout celui qui souffre de migraine, de fièvre ou de souffrance au cou, qu'il vient sans perdre du temps se faire prendre en charge, sans passer par des traitements de rue qu'il vient être testé d'abord pour voir si c'est un cas de méningite ou pas. Dans le département de Madawa, les personnes atteintes de méningite sont à peu près au nombre de 59. Et parmi elles, nous avons eu 14 cas positifs à la méningocée. Et il y a eu des décès d'une douzaine de personnes. À Abelok aussi, nous avons eu des cas de la méningocée. Une vingtaine de personnes atteintes et quatre décès d'enfants. On ne dira pas que les cas s'arrêtent à ces deux localités, car un peu plus dans les environs, on peut avoir comme à Keta 1 ou 3 mais là où c'est récurrent, c'est dans ces deux localités. Parmi les dispositions prises, nous avons fait une campagne de sensibilisation avec la direction régionale du ministère de la lutte contre euh, les épidémies de Madawa durant trois jours. Les personnes les plus atteintes, c'est la tranche d'âge de 4 à 14 ans. Il y a des personnes de plus de 20 ans, mais ils ne sont pas nombreux. C'était là donc la situation de la meningite qui prévaut dans ces deux régions qui viennent d'être adressées par les responsables sanitaires. Alors je commence avec vous, Monsieur Abdoulaye. Quelle est votre réaction de la situation de cette meningite qui prévaut dans ces deux régions Oui, la meningite, nous sommes en période de chaleur mm. et c'est le moment favorable, propice pour euh, cette euh, maladie. Cette année, elle s'est déclarée à euh, Dosso et à Tawa, contrairement à l'année précédente, l'année passée, où c'est surtout la région de Sender qui a connu assez de, cas. Mm. Alors, ce qui est malheureux, c'est qu'au niveau de, de Dosso, c'est surtout des élèves du préscolaire et du primaire qui ont été, n'est-ce pas, touchés par euh, cette euh, maladie. Qui sont déjà décédés. Qui, sont même décédés sur 15 cas, donc 10, euh, me semble, d'après ce que nous avons entendu, 10 décès ont été mhm. enregistrés. 5 sont pratiquement pris en charge. Mhm. la maladie a évolué également de l'autre côté à, Tawa, avec également son, lot de décès. L'un dans l'autre, ce qu'il faut également relever, c'est la sensibilisation qui a été privilégiée, n'est-ce pas, pour que euh, la population soit mise au parfum des dispositions à prendre en cas de symptômes, n'est-ce mhm, pas, de mhm, cette mhm. Euh, épidémie qui, qui n'est pas encore euh, une épidémie, étant donné que ce sont des cas isolés qui ont été relevés et que officiellement ce n'est pas encore une maladie, une, épidémie, étant donné que la situation est sous contrôle. Et que ils attendent des résultats. Au niveau des tests de CERMES, au niveau de de, Niamey. Mais tout, de tout compte fait, ce sont des chiffres qui peuvent être alarmants. Les chiffres sont toujours alarmants dès l'instant où on enregistre des morts et que la maladie est une maladie contagieuse. Donc je crois que ça ne peut qu'être vraiment euh, alarmant. Une maladie contagieuse, selon les spécialistes de la santé d'ailleurs, c'est une euh, inflammation des méninges qui est constituée de trois membranes qui protègent le système nerveux cerval et central. Et vous l'avez entendu, elle a déjà fait une vingtaine de morts, dont des tout petits enfants du préscolaire. Comme l'a dit Abdoulaye, c'est une situation alarmante. Oui, euh, ça c'est réellement une situation alarmante parce que quand, si on dénombre, même si c'est deux morts ou trois morts, c'est alarmant pour euh, euh, une région, euh, à plus forte raison une vingtaine de morts déjà enregistrées dans les deux régions, Dosso et Tawa. Et je pense qu'en fait, il y a plusieurs années de cela, on assiste à une nouvelle forme de méningite. C'est pas la méningite classique que nous connaissons avant. Maintenant, c'est en train de changer de forme et ça attaque les, les membres, ça attaque, oui, oui, le cerveau. Et quand ça attaque le cerveau, c'est ça qui est pire. Parce que dès que ça se déclenche, ça n'atteint pas à ce qu'on détecte rapidement le, la forme du méningite et ait le décès. Oui, pour, pour qu'on puisse le prendre, euh, prendre en charge rapidement ce, ce malade. Donc c'est ça qui est un peu difficile peut-être à, à détecter rapidement. Mhm. Mais sinon, c'est vraiment une période, une période de pic, une mhm. période où on assiste éventuellement hein, à ces cas de méningite. Oui, justement, c'est une période de pic. Euh, les années dernières, Abdoulaye l'a dit, c'était la région de Tawa qui, qui a enregistré autant pour moi, qui a enregistré les cas les plus élevés. Mais aujourd'hui, on se réveille avec Dosso et Tawa. Est-ce que selon vous, il y a des facteurs euh, euh, qui expliquent cela Bon, les facteurs, ça peut peut-être être aussi euh, les facteurs climatiques, parce que le changement de temps aussi peut-être a dû affecter la région de Tawa en grande quantité de chaleur que euh, éventuellement les autres zones. Il y a également cette euh, affaire de migration où aujourd'hui on ne sait pas, comme je l'ai dit, ça peut être transporté euh, d'un pays, oui, oui, d'une autre localité vers justement la région de Tawa Donc, il y a les entrées et les sorties, et il y a également, parce que c'est une épidémie, on parle d'épidémie aussi. Mhm. Donc, ça veut dire que peut-être la zone où ça a quitté, pour venir, euh, tout peut être possible. Mais les facteurs, en tout cas, nous connaissons les facteurs. Si ce n'est pas les facteurs entre, euh, comme je viens de dire, euh, les allées et retours, oui. ça peut être également ce changement climatique qui peuvent affecter les localités mhm. par la grande chaleur que nous vivons. Ici, même à Niamey, on n'en est pas épargné. Mhm, mhm. parce que quand vous regardez la chaleur aujourd'hui, c'est le pic, c'est à 44 degrés Celsius. Donc, il ne faut pas exclure tout cela. Oui, justement, selon l'Organisation mondiale de la santé, le Niger est situé en grande partie dans la ceinture africaine de la meningite avec des épidémies récurrentes chaque année. Et comme vous l'avez notifié, Zender était euh, la région la plus touchée avec environ 1430 4 cas euh, en 2023. Euh, aujourd'hui, euh, Armi, doit-on craindre une expansion de cette maladie à d'autres régions Oui, certainement, parce que c'est bien de préciser que le Niger fait partie d'une ceinture, mm. n'est-ce pas, où chaque année, à pareil moment, c'est le mois d'avril, demain, il faut attendre généralement les premières pluies pour que ça cesse. Mm-hmm. Et donc, pour qu'il n'y ait pas vraiment une épidémie en tant que telle, n'est-ce pas qu'il y ait plus de 20 morts, déjà c'est très grave, mm-hmm. mais qu'il y ait plus de morts encore, parce que c'est une maladie qui est très euh, mortelle en fait, mm-hmm. euh, euh, surtout les enfants de 5 à 13, 14 ans mm-hmm. sont les principales victimes. Même, Maintenant, comme d'habitude, malheureusement, oui, euh, certainement, il y avait des stocks euh, de prise en charge euh, dans les différents centres, mais la maladie précède toujours la communication du ministère de la santé ce qui n'est pas normal. on sait que cette maladie, euh, souvent ça ne vient pas d'ailleurs. Mhm. On fait partie d'une ceinture. Et on connaît la période précise. la, période précise à laquelle ça intervient. Chaque année, à partir par exemple du 1er mars, n'est-ce pas, on doit attirer l'attention des gens, leur dire que les produits sont disponibles, voilà comment ça se manifeste, mhm. et de venir dès que vous avez euh, ces symptômes-là. Mhm. Bon, ce n'est malheureusement pas euh, le cas. Et c'est ça qui peut éviter à chaque fois que ça soit euh, une épidémie. Mhm. L'année dernière, c'était pas mal. Euh, il y a eu une prompte réaction de l'État et des mhm. partenaires. Mhm. Bon, les partenaires, on ne sait pas cette année s'ils sont tous là ou pas, mais l'État doit prendre euh, donc à son compte si vraiment les partenaires ne sont pas là. Et dans tous les cas, on ne peut que compter sur nous-mêmes dans ce genre de situation. Maintenant, euh, ça coïncide aussi qu'à partir d'aujourd'hui, pratiquement les enfants euh, seront en ah, vacances. pas C'est une période où il faut les garder à la maison, n'est-ce pas, pour qu'il n'y ait pas beaucoup de contacts tant que la maladie n'est pas euh, bien identifiée, bien euh, prise en charge, cernée et tout ça. Mhm. Euh, les déplacements, bon, on ne peut pas les, interdire à l'intérieur du pays, mais c'est vraiment d'être vigilant pour mhm. que, en cas de déplacement, en cas de survenue de quelques séquelles, parce que c'est une maladie qui laisse beaucoup de séquelles, donc de survenue de quelques conséquences vraiment de prendre ça en charge et de faire euh, face parce que non seulement c'est mortel, mais aussi ça se propage vraiment à une mhm. vitesse euh, extraordinaire. Tout à mhm. fait. Mhm. Donc c'est de cela qu'il s'agit. Moi, je pense qu'il n'est pas tard euh, le ministère de la Santé doit faire vraiment euh, son travail en se servant notamment des médias pour informer et de la situation, rassurer la population et quelles sont les dispositions qui sont prises pour y faire face. Oui, il n'est pas tard. Vous, selon vous, euh, Abdoulaye, aujourd'hui, quelle doit être la meilleure riposte face à, ces cas qui viennent d'être déclarés dans ces deux régions Non, déjà, déjà on a estimé qu'il y a eu déjà des morts. Maintenant, les cas qui ne sont pas encore euh, dans cette euh, situation et que les, responsables sanitaires ont privilégié la sensibilisation. Mhm. Ils se sont appuyés, par exemple, pour le cas de, de Dosso, je crois, aux, enseignants. Mhm aux enseignants parce que le gouverneur de Dosso a eu à faire euh, un point de presse euh, pour en début de euh, semaine, oui. en début de semaine, lequel il a évoqué et tous ces, toutes ces situations là. Mais c'est surtout la sensibilisation <coughs> qui est en train d'être euh, euh, mise et être encouragée. Mhm, mhm, mhm. voilà. Alors vous, Memouna, pour terminer, euh, on sait que c'est la population qui est touchée avec des tout petits enfants qui, décèdent. Quelle doit être l'implication de tout le monde pour une meilleure réponse aujourd'hui L'implication de tout le monde, d'abord, à commencer par les parents. Les parents doivent veiller à ce que les enfants-là, qui partent même à l'école, parce qu'il y a une certaine heure, où euh, les enfants, quand les enfants descendent par exemple à 14 heures, 14 mhm. heures, 15 heures, c'est une heure quand même où il fait tellement chaud, mhm. excessivement chaud, prendre le soin de, de, de faire rentrer vite l'enfant à la mm. maison. Mais heureusement, à partir d'aujourd'hui, il sera en congé. donc, à la maison aussi, il y a des à la maison, il y a des comportements aussi, parce qu'il y a des parents qui n'arrivent pas, en tout cas, à vérifier euh, l'heure à laquelle les enfants sortent et l'heure à laquelle les enfants reviennent. Parce que les enfants sont... Euh, les parents vont au service. Mm. Et on laisse les enfants dans les mains, des fois, des bonnes, des, des, autres parents, des, des cousins et cousines. Mais il faut préciser que euh, en sortant, il faut donner des consignes. Mm. L'enfant ne doit pas être en dehors de la maison mm. à telle heure. À des heures de à pic. Mm-hmm. Voilà. Et également, il y a l'humidité. Et essayer d'humidifier l'endroit où les enfants sont. Mm-hmm. Et ne pas se concentrer ne pas concentrer la famille mm-hmm. dans une seule pièce, rester concentré, c'est pas bon du tout. Mhm. Parce que quand une personne est atteinte, quand vous êtes dans cette concentration, ça peut également euh, faire. Euh, les autres peuvent être contaminés mhm, très rapidement. Mhm, Et au niveau donc euh, des de, de, de l'État, c'est de veiller à ce qu'il y ait une sensibilisation. Une sensibilisation parce que moi je me dis que on n'attend pas la maladie pour faire une sensibilisation. La sensibilisation, c'est chaque année. Chaque année, lancer cette sensibilisation. Ça ne coûte à rien au ministère de la Santé aujourd'hui de mettre euh, les médias surtout les médias communautaires, mhm. pour pouvoir atteindre les cibles. Mhm. C'est très important quand il y a, par exemple, euh, euh, surtout en langue, ça c'est très rapide, mhm. donc les gens comprennent selon leur tiroir. Mhm. Donc c'est très euh, important à cela. Et également les enseignants aussi, euh, nous leur prions que des fois de faire très attention parce qu'on ne vient pas seulement dispenser des cours, mhm. mais il faut vérifier également l'état de santé de ces enfants-là qui sont là, qui sont côte à côte et qui sont des fois, c'est ils suffoquent même parce qu'il y a tellement de chaleur, il y a tellement d'enfants de, de, de, d'enfants qui sont en masse dans une seule classe où on peut trouver des 60 d'enfants. Donc ça aussi, il faut veiller mhm. parce parce qu'il faut essayer de voir comment est-ce qu'il faut aérer ces classes-là pour mhm. permettre à ces enfants-là mhm. d'être vraiment pris en charge rapidement quand il y a ces cas de phénomène. Et surtout d'isoler rapidement la personne ou l'enfant qu'on estime qu'il y a déjà des symptômes qui, euh, fait, qui se sont fait apparaître, des symptômes qui sont déjà là et qui peuvent Peut-être parce qu'il ne faut pas minimiser ces symptômes-là. Les maux de tête, mm-hmm, mm-hmm. les, vomissements, mm-hmm. c'est des choses qu'il ne faut pas minimiser. il ne faut jamais dire que peut-être c'est des signes de palu. Non, non, non. Il faut aller au-delà de ces signes de palu. Les sensibilisations doivent euh, être doivent, oui, oui, d'accord. Vraiment, c'est les sensibilisations. On souhaite que la situation euh, soit vraiment euh, contrôlée. Nous allons observer une courte pause. Deuxième sujet, le mercredi 27 mars, le ministre de l'Intérieur, le général Mohamed Tomba, s'est entretenu avec l'ambassadrice des États-Unis au Niger. Au cours de cette audience, Kathleen Fusgibon a fait comprendre que son pays a pris acte de la décision du CNSP de dénoncer les accords militaires avec le Niger en annonçant un futur projet pour discuter du désengagement des forces américaines. Pour rappel, le CNSP a dénoncé samedi 16 mars avec effet immédiat la accord de coopération militaire passé avec les États-Unis en 2012. Ils affirment, je cite, que la présence américaine était illégale. Arimiaba, les États-Unis qui disent prendre acte de cette décision du CNSP, que doit-on comprendre alors Écoutez, euh, avant ça, ils ont aussi dit que, ouais, ils sont au courant que le Niger a dénoncé, mais qu'ils euh, n'ont pas reçu de, correspondance, de notification. Ça veut dire que maintenant, c'est chose faite. Euh, ça veut dire, en disant qu'ils ont pris note, ça veut dire qu'ils sont euh, officiellement euh, au courant que les autorités nigériennes dénoncent mhm. cet accord mmh. léonin. parce qu'il ne faut pas se le cacher, le contenu de, ces accords-là sont tout simplement scandaleux. Euh, sincèrement, j'ai trouvé que euh, les, Nigériens ne doivent pas se permettre de signer de tels accords où l'intérêt du pays n'est pas pris en charge, mais aussi où les ressources, même les maigres ressources du pays, sont pompées pour servir une base qui est là, euh, qui en réalité est là dans l'intérêt du pays qui, euh, qui s'installe auquel vraiment la base appartient. Mais doit-on s'attendre aujourd'hui à un désengagement même de Oui, c'est ce qu'ils ont dit, non Ils disent qu'ils vont discuter. oui, mais moi je pense qu'ils vont essayer euh, de réviser ces accords, n'est-ce pas Que ce ça soit des, des, accords en bonne et due forme, euh, du donnant-donnant, euh, que les deux pays se retrouvent à travers cette base-là avant, si ça échoue, je crois qu'ils peuvent se désengager. Même si certains parlent déjà de la prospection d'autres sites, notamment au Tchad mm. ou au Maroc ou au Bénin, mais pour l'instant, c'est vraiment des, rumeurs, on va dire. donc, vraiment, et le Niger, c'est le terrain euh, vraiment rêvé pour euh, ce genre d'activité pour les États-Unis. Et je crois qu'ils vont d'abord essayer euh, de réviser les accords, vont faire des accords équitables qui vont prendre en compte surtout les intérêts euh, du Niger. Mhm. Et comme ça, si ça ne marche pas, ils peuvent se déplacer pour aller euh, ailleurs. Mais, aujourd'hui, selon vous, est-ce que même euh, nos deux pays doivent maintenir cette coopération qui existe entre les deux pays mm, à mon avis, oui. À mon avis, oui. Ça fait partie, malheureusement, au plan international. surtout pour les États-Unis, c'est la deuxième base la plus importante en Afrique si nous on ne les prend pas, d'autres vont certainement les prendre avec des accords qui, cette fois-ci, vont certainement aussi vont privilégier les pays qui va accueillir. Bon, c'est une base de drones, ça leur permettrait, en ce qu'il semble, de contrôler euh, le brasier mhm. euh, libyen, n'est-ce pas, mais aussi euh, un peu le Tchad, le Moyen-Orient, le, Maghreb, tous les mouvements des populations, les mouvements donc, qui rentrent dans le cadre de l'insécurité et tout. Mhm. Bon, a priori, si ces informations nous sont nous aussi fournies en ce qui nous concerne, notamment le déplacement euh, des bandits armés, des gangs et autres, ce n'est pas une mauvaise chose. Mhm. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on nous a miroité même s'il n'y a aucune ligne sur ces aspects-là dans ces accords-là. Mhm. Et donc, moi, je suis très, tellement étonné qu'un pays comme les États-Unis accepte dans, un autre pays de s'engager suite à des accords vraiment, qui ne mm-hmm. tiennent pas la route mm-hmm. Euh, mm-hmm. comme ça. Parce que c'est aussi une question de responsabilité. Maintenant, oui, je, je pense que euh, ce n'est pas aujourd'hui qu'on va finir avec, euh, avec une base étrangère dans notre pays, on mhm. se connaît, parce que même si les États-Unis s'en vont, il y a la présence étrangère encore mhm. dans notre pays. Mhm. Plusieurs pays occidentaux ont leurs militaires chez nous encore. Euh, est-ce que ça gêne notre sécurité Est-ce que ça gêne notre lutte contre l'insécurité C'est des débats qui sont ouverts et pour l'instant qui ne sont pas très bien cernés à mon sens et qu'il faut avoir. Le sens de responsabilité doit prévaloir. D'accord. Et malgré que les États États-Unis disent prendre acte de cette décision du CNSP, l'ambassadrice a réaffirmé euh, la disponibilité de son pays à, œuvrer aux côtés du Niger à travers l'accompagnement des projets de développement par l'USAID. Abdoulaye, dans quel domaine aujourd'hui euh, les États-Unis doivent davantage intervenir dans notre pays Bon, les États-Unis ont toujours accompagné le, Niger à travers euh, l'USAID. Oui. Alors, tout de même, euh, les axes, nous avons le Millennium Challenge euh, à compte qui est, il me semble, en stand-by. Mhm. Sûrement que ça va être euh, remis sur, sur les rails. Mhm. Et bien d'autres projets, notamment dans le cadre de l'éducation, du programme hydraulique, je, compte, je, je pense bien. Mhm. Donc, toutes les, tous les domaines les axes de coopération qui existaient déjà, n'est-ce pas, doivent être euh, reconduits, réveillés pour que bon, la coopération puisse reprendre de plus belle, même si par ailleurs, quelque part, au plan militaire, il y a peut-être il y ce petit quoi que sûrement avec ce que Avril vient de dire, mm. que les deux pays arriveront à accorder leur violon pour voir, euh, la, regarder dans la même euh, direction. Mm-hmm. Mais est-ce que vous pensez aujourd'hui que c'est une coopération gagnant-gagnant non, je crois que si on, estime que euh, la coopération militaire a été biaisée et qu'on s'inscrit dans une nouvelle dynamique, euh, celle que la, le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie a dit, n'est-ce pas, révisiter les différents accords de partenariat qui liaient notre pays avec euh, certaines puissances euh, étrangères qui sont installées chez nous. Donc c'est de bonne guerre qu'aujourd'hui, n'est-ce pas, dans la nouvelle forme, n'est-ce pas, de coopération, que ce soit une coopération, disons, gagnant-gagnant. En tout mm. cas, c'est ce que le Niger euh, souhaite mm-hmm. et je mm-hmm. crois que même nos interlocuteurs ont compris cette, euh, cette préoccupation, cette volonté, n'est-ce pas, ardente du Niger, n'est-ce mm-hmm. pas, désormais de travailler main dans la main avec quiconque, mais dans le respect et également dans un partenariat fécond, gagnant-gagnant. Chacun va trouver euh, son compte, donc mutuellement avantageux. Et je crois que ce n'est pas, ce n'est pas impossible dès l'instant où eux, ils ont, ils ont les moyens, c'est les pays riches et nous, pays pauvres, c'est des puissances. Puissance. <laughs> Donc, euh, euh, je crois qu'ils n'auront pas à perdre, en tout cas, à mhm. être attentifs à ce que nous, nous allons les, leur proposer. Mais vous, aujourd'hui, Mouna, quel est, euh, selon vous, l'avenir même de la coopération Niger-États-Unis au vu de tout ce qui se passe moi, je pense que ça peut continuer. Il faut pas aller vite en besogne pour dire que il faut les chasser, il faut les faire partir comme les Français. Non, les Américains, en termes de négociation, mhm. en termes de négociation, ils sont un peu plus calmes que les Français parce que là, vous avez vu la propre réaction en tout cas de l'ambassade, hein, euh, les États-Unis qui prend acte mhm. et qui avait déjà, de par le communiqué. Euh, Donc, selon vous, sans vous couper la parole, c'est une stratégie c'est une stratégie, c'est une stratégie parce que les États-Unis, c'est pas aujourd'hui que les États-Unis sont en train d'investir dans ce pays. Mhm. Donc, euh, avec surtout cette base qu'ils ont au niveau d'Agadez, où ils ont pratiquement injecté beaucoup de, de millions, milliards dans cette base, euh, partir comme ça et laisser cette base, détruire cette base, mhm. ce c'est pas du tout réfléchi pour ces Américains-là. Mhm. Mais maintenant, c'est parce que tout simplement, euh, nous avons eu des accords qui ont été signés en cachette, en catmini, et euh, dont la population n'avait pas eu vent de, du contenu, mhm. en tout cas, de ces accords-là. Mais maintenant, comme tout le monde est au courant de la manière dont ces accords ont été signés, il faut réviser ces accords-là, même si aujourd'hui le Niger, il faut avantager le Niger sur tous les dix accords-là, ils le feront, les Américains le feront mm-hmm. pour pouvoir être et garder leur présence ici au Niger. Mm-hmm. C'est une base très importante pour les États-Unis ils ils vont pas euh, facilement laisser perdre. Donc ça veut dire que <laughs> déjà, vous avez vu comment ils ont parlé, qu'ils vont revenir avec une autre coopération, mhm. une forme de coopération et activer déjà la coopération à travers euh, l'USAID. Donc c'est déjà quelque chose de, de, de, de bon pour le pays. Mhm. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas en guerre contre le Niger. Mhm. Ils s'assument, ils savent que le Niger aujourd'hui, c'est un pays indépendant. C'est un pays qui a le choix de décider de qui va venir s'asseoir, mhm. qui va venir rester sur le territoire pour pouvoir coopérer. L'un dans l'autre, ils sont ces deux, en tout cas, les États-Unis et le Niger, c'est pas, ça date pas d'aujourd'hui la coopération. Et nous souhaitons que cette coopération, qu'on trouve une issue de sortie à l'amiable pour les deux pays Mhm. pour que nous puissions continuer dans l'avenir avec, avec le pays. Une sortie à l'amiable, mais vous, Armi, pour terminer, que peut-on espérer comme suite Ce que moi, je reste persuadé euh, que les États-Unis vont essayer de renégocier ces accords-là euh, en mettant des aspects euh, qui intéresseraient le Niger notamment en matière de formation militaire, d'information militaire. Et vous avez vu même que ça ne faisait pas trop partie des accords euh, qui ont été dénoncés, euh, quand même ils ont euh, certainement aussi pour faire accepter ces accords-là fait, des dons, mhm. n'est-ce pas, d'avions, d'aéronefs, vraiment. donc c'est ce qu'ils peuvent faire, mais je pense que sur le plan de l'information, ils peuvent beaucoup aider le Niger parce que cette base est là justement pour s'informer des mouvements euh, humains euh, dans toute la zone, n'est-ce pas, qui couvre tout le Sahara et le Maghreb. Et donc c'est extrêmement important. Je pense qu'ils peuvent le faire, mais euh, dès lors qu'ils ont dit aussi que les coopérations au plan civil, notamment les projets de développement et mhm, mhm, autres, vont être possibles. Donc il y a plein, plein à, faire. C'est un partenaire traditionnel du Niger. Mhm, élection présidentielle au Sénégal, l'opposant sénégalais Bassirou Diomaye Faye l'a largement emporté dès le premier tour le dimanche 24 mars avec 54,28% des voix, loin devant le candidat au, du pouvoir Amadouba avec 37,79%, indique les résultats finaux provisoires proclamés mercredi par la Sénat. Elle a été actée par son principal rival Amadouba et le président sortant Macky Sall qui l'a fait féliciter. Abdoulaye, quelle est votre analyse de la présidentielle euh, du Sénégal Oui, la présidentielle du week-end passé du Sénégal euh, montre que le Sénégal est vraiment un pays démocratique. Il mm-hmm. faut le dire. Et il faut saluer la maturité politique du peuple sénégalais. Ici, on l'a évoqué, quand le président Macky Sall avait parlé d'un report, n'est-ce pas, donc de ces élections, et nous avons vu tout ce qui s'en est suivi. Il y avait eu des, manifestations, des soulèvements. Ensuite, euh, la Cour constitutionnelle est rentrée dans la danse, a pris ses responsabilités et a dit le droit. Et Macky Sall, chemin faisant, a également dit qu'il quittera le, fauteuil présidentiel le 2 avril euh, prochain. Mhm, mhm. Et dans la foulée, la Cour constitutionnelle avait intimé l'ordre à ce que les élections puissent se tenir. Et c'est ce qui a été fait. Mhm. En dix jours de campagne, quand même, euh, les candidats euh, ont quand même mouillé le, le maillot. Et au sortir, au soir donc euh, de l'élection présidentielle, c'est le candidat de l'opposition, le candidat euh, par défaut hein, mhm, du mhm. PASTEF, euh, ou bien par procuration, mhm. étant donné que le leader charismatique du PASTEF, adulé par la jeunesse Ousmane Sanko, n'est-ce pas, a été interdit de pouvoir euh, mhm. euh, briguer la candidature. Mais ici, euh, quelle est la leçon même à tirer de ces élections aujourd'hui la, leçon à, tirer, c'est que tout s'est passé dans, les règles de l'art. Il n'y a pas eu de, violence. Mhm. Et, voilà, le candidat, en attendant les résultats globaux finaux que la Cour constitutionnelle va proclamer et entériner, il faut saluer le fait que le candidat du, pouvoir, n'est-ce pas, a quand même reconnu mhm. la, la, victoire. Et le président sortant également. Le président sortant également. On l'a vu sur les, euh, sur les et qui a même été hier, reçu hier, hier, les deux leaders de PASTEF et Le, nouveau président élu Bashiru Djombe et, et, Ousmane Sanko, mhm. n'est-ce pas, on commençait déjà pratiquement la passation de mhm. services. D'accord. Déjà, dans un discours tenu lundi soir sur euh, le cinquième président, euh, Amadou et Bassirou, autant pour moi, disait, je cite, Je suis prêt à raffermir les relations avec les pays frères du Sahel et à travailler à leur retour de la famille CDAO. Aujourd'hui, euh, quels peuvent être les défis Que doit-on comprendre avec, à travers cette affirmation, cette citation, armée oui, euh, c'est à quoi je m'attendais mhm. de sa part euh, et c'est ce qui est sorti de sa bouche. En fait, euh, moi je pense qu'il envisage de proposer aux pays, aux trois pays membres de l'AES, mhm. n'est-ce pas, de ne pas, de sursoir à leur retrait. De, de, retrait de la, de la CDAO et parce qu'il a poursuivi en fait, à part le fait de dire qu'il va leur demander de rester, il y a aussi l'aspect euh, monnaie de la CDAO qu'il a mm. évoqué. Mm. Et donc, je pense que ces pays-là peuvent être, en euh, ont plus intérêt à être dans une monnaie, euh, à partager la même monnaie que tous les autres pays de la CDAO, mm-hmm. mais aussi constituer un poids n'est-ce pas, pour faire avancer ce dossier ô combien important pour euh, l'Afrique de l'Ouest, mhm. mais aussi qui est bloqué par euh, des, multiples manèges. Euh, se rappelle que euh, Macron et Ouattara ont voulu nous prendre de vitesse pour nous imposer en deux mois euh, une monnaie qui serait appelée euh, ECO et dont on est, on est sûr et certain que ça n'a rien à voir avec ce qui est envisagé par les leaders ouest-africains, notamment le cas de Buhari qui s'était opposé en tant que grande puissance économique de mm. l'Afrique de mm. l'Ouest. Donc ça n'a pas marché. Et donc je pense qu'il envisage de revenir. Il a dit d'ailleurs. Il dit qu'il il tient à cette monnaie et il se rend compte qu'il y a quelque chose qui traîne par rapport à sa mise en œuvre, à sa à son aboutissement. donc, je pense que euh, c'est une très bonne chose. Oui, mais au-delà de tous ces aspects qu'il a évoqués aujourd'hui, euh, quels peuvent être les défis qui l'attendent non, les défis, d'abord au plan interne, il en a énormément, mais aussi c'est un leader sous-régional n'est-ce pas On sait que au plan politique, le Sénégal, c'est un des leaders de l'Afrique de l'Ouest, c'est incontestable. Euh, et euh, le président sortant du Sénégal a lourdement pesé dans les décisions, par exemple, qui ont frappé le Niger. On le sait, aujourd'hui, il n'est pas là. Et voilà, c'est ce qu'on disait il y a quelque temps dans ce, dans ce studio. On disait que la CDAO, euh, ce n'est pas des, hommes d'État parce que les hommes d'État sont de passage. Hmm. Aujourd'hui, Maki est passé et c'est un truc tudo outro. de cloche que nous entendons. Mm. Donc c'est en cela que, euh, au plan régional, il y a le raffermissement de la CDAO, la création de la nouvelle, monnaie, qui sont des préoccupations pour lui, mais au plan interne, ce que nous avons entendu, c'est que au plan interne, vraiment, il doit créer beaucoup d'emplois sur une population jeune comme celle du Niger, parce que j'entendais les statisticiens dire que les moins de 35 ans représentent plus de 70% de la population. Et donc, euh, il faut développer. Et au plan économique, ils ont beaucoup reculé contrairement à ce qu'on dit. Et donc, il faut vraiment réconcilier les Sénégalais mm-hmm. entre eux mm-hmm. parce qu'il y a quand même eu beaucoup de morts dans cette euh, lutte que le PASTEF avait mm-hmm. euh, engagée et dont les leaders se sont retrouvés en prison par la suite. Donc, il a beaucoup de chantiers. C'est comme tout autre. En fait, il n'y a pas de miracle. Nos pays ont les mêmes réalités. Tout celui qui prend et qui a euh, envie de faire quelque chose, il sait à quel, vraiment à quoi s'attendre. Mais Mouna, comment vous vous appréciez même euh, les élections présidentielles du Sénégal ah, ça, j'ai vraiment aimé la manière dont ces élections se sont euh, passées et à la vitesse à laquelle ces élections se sont passées. Hein, pas de deuxième tour. Pas de deuxième tour et dix jours de <laughs> campagne, c'était quand même serré. C'était serré, mais quand même, ça a donné ses fruits. Mhm. Et la responsabilité de tout un chacun face, dans ce cas, donc, euh, au patriotisme. Parce que si aujourd'hui, ne serait-ce que le candidat Amadouba euh, refusait de reconnaître déjà euh, le candidat euh, Pastef, mhm. euh, dès le premier tour, ça serait déjà un couac là Mais maintenant, ce sont eux-mêmes qui se sont, en tout cas, dès les premières heures des résultats des décomptes, ont déjà félicité, appelé pour féliciter le nouveau. Donc, ça veut mhm. dire que ici, il y a eu euh, des, des, élections qui ont été à la hauteur de tout le monde. Tout le monde attendait ces élections et tout le monde savait que dans un pays comme le Sénégal, la démocratie, ils allaient faire en sorte qu'il y ait cette démocratie-là, que les urnes et les élections ne se font pas des élections truquées mhm. comme ça se passait ailleurs. Mhm. C'est ça, en fait. C'est parce que tout simplement, dans nos autres pays, on n'arrive pas à aller vers ces élections où il n'y a pas de élections truquées, où il n'y a pas, en tout cas, de, de, de, vol de sap que nous sommes arrivés à ces situations-là. Mhm. Maintenant, il faut également euh, saluer euh, la lutte que le peuple sénégalais avait en mhm. tout cas déclenchée à travers Sanko. Mhm. Parce que Sanko était vraiment quelqu'un de pragmatisme. Mhm. Il était vraiment vu par tous ces jeunes-là qui aspirent à un changement dans ce pays-là. C'est là une, une, vraie leçon à tirer. C'est une vraie leçon à tirer. Mhm. Aujourd'hui, ça veut dire que les jeunes, ce sont les jeunes qui sont les plus nombreux dans ce pays-là. Et ce sont ces jeunes qui ont donné le déclic. Ce sont, ils, ils n'ont pas attendu pour se morfondre sur leur sort parce qu'ils ont été d'abord licenciés complètement euh, euh, de la fonction publique pour avoir dénoncé les travers qui se passaient au mm. niveau des services comme mm, les mm, impôts. Donc, si chacun de nous, chacun de ces jeunes-là, prenait leur responsabilité pour dire attention, nous sommes là, nous sommes jeunes, nous avons un pays et nous devrons sauvegarder ce pays. Je pense que euh, ça sera le réveil dans euh, les, autres euh, années à venir dans mhm. les autres pays africains. Alors aujourd'hui, quels sont vos souhaits Un tour de table pour la réussite de son mandat ah, Pour la réussite de son mandat, moi je pense qu'aujourd'hui, et, j'ai été en fait un peu touché mhm. par le fait qu'il parle de la CDAO. On mhm. l'a toujours dit, hein, la CDAO a besoin d'être que les tests soient révisés. Mais quitter euh, la CDAO, c'est pas intéressant. Mm-hmm, mm-hmm. Et je pense qu'aujourd'hui, on peut l'aider. Nous tous, l'Afrique, nous tous, nous pouvons l'aider mm-hmm. à, en tout cas, redresser euh, la barre économique, développement social et tout dans son pays. Et, lui également, c'est d'aller vers déjà des, présidents qui sont aguerris, les personnes ressources pour pouvoir tirer ou soutirer de ces personnes ressources-là mhm. ce qu'il doit faire, en tout cas en termes de vision. C'est un jeune, donc à C'est un jeune, voilà. C'est un jeune et, je pense que, mhm. euh, comme c'est un début, il faut également qu'il essaie d'associer, euh, comme on dit, les, les, les personnes d'expérience à côté de lui. D'accord. Alors rapidement, Abdoulaye, vos souhaits pour un bon mandat du nouveau président oui. Euh, Faye un bon mandat, c'est qu'il faut qu'il tienne déjà son discours programme. Hein. Bon, il n'a pas encore donné un discours il programme. il, faut, il, faut, il faut, il faut, faut, le truc de projet de, société, je veux dire. Donc mhm. là, il faut lutter contre la corruption. Il mhm. faut également trouver, euh, créer des emplois pour euh, les, les, les, jeunes. Mhm. Il faut également faire en sorte qu'il y ait une justice euh, sociale, que les libertés collectives et individuelles soient euh, sauvegardées. On a vu euh, ce qui s'est passé avec le régime précédent, mm. qui est en train de finir. Et bon, en tout cas où les libertés individuelles et collectives ont été confisquées. Eux-mêmes, ils ont été pratiquement la cible, c'est des témoins vivants même de mhm. cette euh, comportement mhm. liberté, des du mhm. régime qui, a, qui est tombé D'accord, alors merci bien Armi pour Oui, euh, moi je pense que euh, d'abord il y a quelque chose qu'ils doivent régler. c'est Sanko qui était pressenti pour occuper ce poste, de président. Et on sait le pouvoir, ce que c'est. Euh, il a pris le dessus. On le voit depuis qu'ils ont commencé. Ils, se, ils font tout ensemble. Mhm. Ils ont fait une conférence de presse ensemble. Ils sont allés voir Maki, le président sortant, ensemble. Euh, mhm. Je crois qu'ils doivent avoir euh, prendre de la hauteur, mhm. surtout sans lui, et rebâtir leur parti qui a été dissous. et l'autre le laisser vraiment exercer son rôle de président de la République. À part ça, il faut créer beaucoup d'emplois et se distinguer vraiment du lot. Euh, aujourd'hui, ils ont euh, quelque chose d'extrêmement important, c'est toute la jeunesse euh, sénégalaise, mais africaine qu'il représentent. représente. On parle que des jeunes depuis quelques années. Mhm. Aujourd'hui, des jeunes ont pris le pouvoir, 44 ans. Mhm. C'est rare en Afrique, n'est-ce pas Donc, il faut que se disent qu'ils ont la responsabilité de euh, d'un changement de génération au niveau des hommes politiques mhm. et qu'ils doivent lutter contre la corruption, le gain facile, ils doivent l'oublier. Euh, bien entendu, c'est des inspecteurs de finances déjà, donc on espère qu'ils vont. Merci, merci. Donc, euh, nous sommes au terme euh, de ce forum de la presse. Merci, chers invités, mesdames, madame Memouna Diado, journaliste indépendante, Arimi Abba, journaliste à la radio alternative, et Abdoulaye Soumana, journaliste indépendant. Merci à vous, chers auditeurs et auditrices, de nous avoir suivis. N'oubliez pas le rendez-vous des jeunes le week-ends dès 17h avec l'actu des jeunes suivi de tous à la FADA et les forums en Hausa et Zarma à partir de 18h15. La technique est assurée par Issa Lawali. Je suis Nafis Adam Sirfa, la modération. Très bon week-end à tous. Au revoir.